saay la sunu Sénégal yëngatu sunu société yëngatu na Macky saay saay sunu Sénégal Personne ne peut vaincre un peuple. Personne, ne peut vaincre un peuple. Personne, ne pourra. Les États-Unis ont fait la guerre contre le Vietnam pendant plus de 20 ans. Ils n'ont pas gagné. Personne ne peut vaincre. Les États-Unis ont fait la guerre contre Cuba. Pendant 50 ans, ils n'ont pas vaincu. Personne ne peut vaincre un peuple. Nous gagnerons le combat. Ce combat, nous le gagnerons. Ce combat, nous... Alassane Ba. Oui, ce combat. Moi, citoyen, citoyen sénégalais, ancien politicien dans, la CDP Garabdi. J'ai ardé la politique depuis 2009. Aujourd'hui, j'ai 71 ans, 7 mois et 20 jours. Chaque jour me rapporte la tombe. Je suis sorti parce que mon pays est gouverné par des gens hein, qui ont fini de démontrer leur incompétence leur impertinence et leur arrogance. Quand un président de la République se permet de signer un décret sur la base d'un rapport de présentation qui contient de fausses informations, quand un président de la République se permet de libérer un assassin, un criminel, une ordure, appelée Mamadou Diallo, quand un président de la République se permet de signer un décret qui nomme le directeur général d'une structure d'une structure financière Privé, comme l'IPRES. Quand l'Assemblée nationale n'a pour question orale écrite euh, que les, seules, questions orales écrites à l'Assemblée nationale, c'est quoi C'est quoi Ce sont des immeubles construits avec l'argent de la drogue. Les seules questions à l'Assemblée nationale, c'est quoi C'est le, faux monnayage. Les seules questions écrites orales à l'Assemblée nationale, c'est quoi C'est quoi à l'Assemblée nationale Ce sont des potables d'engrais et de semences délivrés à l'époux d'une mise, délivré à la concubine, délivré au deuxième bureau d'un haut fonctionnaire, des engrais et des semences, délivré à qui Délivré à, des gens, à des footballeurs, délivré à des justeurs qui passent leur temps dans un café célèbre de la place. Non, je ne peux pas être d'accord avec eux. je ne peux pas me taire, malgré mes 71 ans. On est en train de foutre tout le travail que nous avions fait. Nous avons travaillé avec la Bactérie nous sommes venus dans la lutte en 1968. On était des jeunes élèves au lycée marie Nous avons travaillé, nous avons bâti ce pays. Nous n'accepterons pas qu'on le Jamais de la vie. Nous langues nous Nous refuserons. Comment est là Il est là, il connaît. Nous, avons été les nous avons été nous avons été pétris par les par les par les par les Ablaï là, par les Fomba Boudissé. nous, on s'est battu pour ce pays. Aujourd'hui, des soulards, des soulards, des soulards qui veulent tout foutre en l'air. Et aujourd'hui, des gens qui ne sont rien d'autre que des bails de Koïtéré, qui se qui disent être des imams et qui disent qu'ils vont nous sensibiliser, qu'ils vont nous dire pourquoi le courant doit augmenter. J'ai honte pour ces gens-là, des, gens qui n'ont rien. Ils sont pires que les bails de Ils sont pires.